et puis euh, ñu tasaare ko euh, nu mu gën a donc euh, projet bi dans daanaka loolu la ñuy permettre ñu am benn plateforme boo xam ne ku ci ne mën na ci connecté wu am formation ci téléphone am wala am formation ci tablette am wala am formation ci ci ordinateur et loolu mooy lu tax ñu ñu ñu ñu def projet bi mu jëriñ wa Sénélec mais jëriñ aussi société électricité yu nekk ci sous-région bi alors formation dafa cher euh, parce que vous êtes indi expert mu en Europe nga êtes dans ko hôtel euh, mu ñëw nekk vie, fii euh, di facturer aussi lu cher par jour c'est très très cher là, si suñ ko fait, vous avez réduit réduire coût formation par 10, hein ou même plus hein te xam-xam bi dafay des entreprises. même si ñi suñ fait des ci entreprise bi dañuy toujours xam-xam bi entreprise donc l'ol dal que nous projet bi euh, Senelec nag duggal na ci loxom mom à 100 sous nos partenaires partenaire coopérations coopération allemande GIZ japp ci euh, WAP aussi la GIZ appuie euh, le WAP mais aussi la la Senelec et les autres centres de formation qui font partie du réseau des centres de formation du WAP d'atteindre ces objectifs pour devenir un réseau des centres de formation d'excellence euh, dédiés au métier d'électricité pour servir euh, le secteur euh, d'énergie de la CDAO. Et euh, une, euh, une, activité clé dans ce cadre, c'est l'appui de la GIZ euh, d'appuyer les, centres de formation de l'SNLEC e et aussi des autres centres du WAP dans le développement des formations en ligne. Car les e-learning et la nouvelle technologie de la formation deviennent de plus en plus importantes. Et c'est très important pour les, établissements de la formation d'aujourd'hui d'offrir aussi les formations en ligne pour enrichir les formations en présentiel et pour aussi euh, mieux cibler euh, des personnes qui sont loin. Et euh, avec cette approche e-learning, ça offre effectivement des nouvelles options aussi euh, pour atteindre euh, les autres euh, groupes cibles dans le secteur énergétique dans, dans, le monde, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi, je pense, au monde entier.